Salut les amis de eSport TV, Merci encore de la confiance voulez. Merci de des likes, merci de des abonnés, merci également de baisser les commentaires. Hein. Guys, t'as commence avec image bi pour faire un peu Coupe d'Afrique bien hein, avec le l'arbitre que vous connaissez hein. Bam la TCMA, hein, Borom Borom qui hein, m'ont habité également match yen match Sénégal. Mais aussi fatel aussi génération qui nga xamné tay buñ fi yeggé am fi peut-être que dañoo japp 2022 à 2002 mais y une génération qui xamné ñëwoon nañ avant ak ci et qui ont beaucoup participé donc xel delu ci ñoom gars yi également mais aussi hein, donc courage aussi à Ibrahima Mbaye beaucoup critiqué ci li nga xamne ne moom Coupe d'Afrique bi image bi dima ma aussi 2018 eh, ki nga xamne moy Idrissa Gana Gueye ca mondial ba suñu match contre Colombie li tamit amon na fa ñu critiqué mais il est revenu beaucoup plus fort et loolu lañ koy ñaanal Ibrahima Mbaye mais également gars image bi dama ko bëgg partager ak yeen l'esprit et le cœur hein lepp lu ñu def rek nañ and ak dal di xalaat hein di xalaat xel du sam solo on peut parler avec le cœur mais aussi ñuy mesurer li ñuy wax parce que lepp ci yar la ak ci teggin et aussi ñun ñëpp ñoo bokk passion bi ñun ñëpp ñoo bokk également li nga xam ne mooy dundin gi donc et c'est de manière générale donc aujourd'hui gars yi je vous l'avais promis on va parler de Sadio Mane. lutax Sadio Mane amul ben influence bi ci Liverpool lutax ñi ni japp ne Sadio Mane estimé wuñ ko Liverpool mais moi je vais parler côté finance lu ko waral côté image pour un peu ngeen comprendre par rapport à ça que business le football bi business la VAR bi ah gars yi habitué naa leen ak VAR bi ah VAR bi tey dañuy wax ci actualité bi wax également ci yenn nga xam dañ koy fàttaliku mais aussi wax ci yenn événement yi par rapport à la VAR hein. donc VAR bi nag du nekk VAR bu xam day xassaté mais VAR bu wane yenn information yi la quoi donc d'abord d'abord ah happy independence day hein suñu mbokku Gambien suñu mbokk yi ah benn lañ suñu frère lañ suñu doomu ndey wa Gambie donc tey la seen euh, waa fête anniversaire ki bokk indépendance tey la seen fête d'indépendance tey la donc 18 février donc ñu leen wax aussi happy independence day donc ki nga xam nak nag moom Samuel Eto information bi jógee ci Espagne tribunal espagnol nak daf ko daan ndax dañu dafa ben doom doom bo xam ne reconnaître ko woon légui té nangou ko woon jël en charge fimné ni ne daan nañ ko muy wara fay lu toll 1400 euros par weer loolu la wax donc les informations qui Samuel est Samuel fils la légende du football qui n'a gars yi laa ban joueur il a évolué c'est un Ghanéen évolué na ci équipe au mag Italie Inter de Milan ban joueur la gars jamono ji del war na ca Angle fële Ghana di fa jouer donc lool moy question bi tay ban joueur le gars yi kii nii ngeen wax ban joueur gis ni également gars yi marqué na li nga moy Coupe d'Afrique bi waxuma El parce que El Hadji il n'est plus à présenter mais Lilian Gatoun confrère journaliste de nek ci canal donc euh, gis ngeen mom def na message ni fi mu ne dafa bëgg sax ñew Sénégal pour rencontrer Sénégalais marqué nok gis na un tiktok def nañ TikTok jël nañ image am bi Sadio man dur penalty donc mom aussi bokk na ci ñu marqué Coupe d'Afrique donc gaay championnat local bi ci la bokk également li programme championnat local bi donc euh, malheureusement man awma euh, opportunité de ko mais quand même championnat local ba ngi nako suivre à distance de jox information derby bi nag Jaraaf Guédiawaye football club lay doon ah. donc mi ngi am gis ngeen ah stade Iba Mar Diop lay am gis ngeen ko suba la donc à 16h30 a jongante en ko suivre également donc amna yenen jongante tamit da ci da ci a am li qui programme 10e journée Ligue 2 Ligue 2 aussi mi Oslo NGB Jamono fatigue Wakam donc Demba Renaissance Demba et aussi bi aujourd'hui c'est l'arbitre numéro un euh, du Sénégal MashaAllah donc un jeune mon frère Maguette Ndiaye donc a un dafa de a arbitrer la Ligue des champions Diganté Essetif ak Raja donc Maguette Ndiaye qui continue de représenter dignement aussi le drapeau et les habits sénégalais moom ak yeneen euh, collègues donc euh, officiellement nag fédération sénégalaise de football génn date officielle yi ak donc gis ngeen ko le 25 mars le premier match bi finalement le la ñu donc benn match bi le 29 mars gars yi nañ date yu bëri CAF def déclaration et tout mais finalement fédération moo génne tey ngeen gis nag nag di mom. dafa dem euh, il a 31 ans donc un bon jeexee il est parti libre à Burton Albion donc troisième division pour la les Angleterre lay joué Baye Oumar Niass donc également un grand attaquant malheureusement nag bon il a joué na Wakaam waroon am Karim mais comme ni di rek mais quand même il a marqué euh, son de son empreinte kii nag donc Harry Kane moom nee na finalement day bàyyi ba fin de saison mu jël décision moom mi nga xam début de saison de bëggoon a forcer pour dem Manchester City finalement ba Conte ñëwee gis na ne Conte jox ko confiance moo tax nee day fin de saison mu jël décision par rapport ak fan le jëm ngeen gis également donc Cyborg hein, qui qui moy Cyborg à mi ngi à ah Haaland mi jamono ji selon l'information information retransmise par sport sport nak benn journal catalan la mom plus catalan mais dafa guéné information bi accord de principe euh, après contrat bo xamné wa Real de Madrid signé nañ ko ak pour mu ñëw fa donc lool nak information bu ñu jox la également mom du joueur euh, Monaco international français momit it euh, wax yag un ko wax ni aussi Real dafa nek ci mom pour renforcer ses milieu de terrain parce que ñom Casemiro ak ñom Kroos ñoom yëpp dañoo commencé jël donc ils sont en train de préparer la relève donc également hein, King Gisni di qui qui co également Issam Ben Yedder donc mom selon le journal l'équipe Mom est meilleur joueur du mois de janvier foofu euh, Ligue 1 championnat de France Issam Ben Yedder également international français un très très grand attaquant également donc hein, donc euh, li nak moy nek gars par rapport ak ñi nga xam ñoy gëna créer danger ci Premier League joueurs yi gëna créer danger dans Premier League donc ki nak Bruno Fernandes est moy premier Trent Alexander-Arnold moy deuxième Kevin De Bruyne le troisième Salah le quatrième donc Ward-Prowse le cinquième donc également ah, euh, passerie, yi ëpp fofu li ñuy passe fofu que ci Premier League mi ngi ah. donc Trent Alexander-Arnold mo nek premier Mohamed Salah le deuxième euh, Gennad Jarrod Bowen le troisième Paul Pogba troisième également qui euh, Andrew Robertson aussi pour euh, Liverpool momit gis nga ah, ci ñooñu la bok donc li nak également meilleur passeur Ligue des champions Bruno Fernandes mon premier avec 6 passes Anthony 5 passes Leroy Sané 4, Kylian Mbappé 4 loolu aussi nek information pour nous am un peu par rapport à li xamna moy ne mooy statu joueur yeeg ñi gëna a danger surface beeg yoy. Li nak déclaration bu Pochettino la mom mi défendre ki nga xam ne Lionel Messi c'est le meilleur joueur du monde si vous voulez expliquer le football à quelqu'un c'est Léo Messi je ne pense pas que quelqu'un plutôt qu'un penalty raté affecte sa confiance si quelqu'un dit ça il ne connaît pas ce sport gars yi ah. ki nga gis ni aussi di Diogo Jota mom dafa genn crocs sur blessure un ah. temps yi club wax nañ ci lu bari. match bi ñew nak mom du jouer donc nee xamaguñu euh, exactement il faut ñu defal une analyse pour mën ko xam donc yenen euh, scan et tout Diogo le joueur de Liverpool qu'on souhaite prompt rétablissement donc affaire de Khalis, affaire d'image affaire de marketing lañuy wax par rapport à Sadio Mané par rapport à Liverpool par rapport à Mohamed Salah donc pour que vous compreniez comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui se passe réellement par rapport à la situation Sadio Mané situation aussi football ni muy doxé jamono ji donc gaa yu bëri ñi ngi naan Sadio Mané Liverpool respecté wu ko ñi ngi naan waaw Sadio Mané mook Salah déggoo et tout man comme je dis encore Sadio Mané et Salah ils ont de bons rapports Liverpool bëggul Sadio Mané kenn waxuñu ko considération bi également dafa am ay niveau yoo xam ne moom la ñuy wax ak aussi ci ban anam lañ koy jàngee booy seet ñoom ñaar ñëpp ils ont gagné presque les mêmes trophées parce que Salah trophée yu bëri mi ngi ko gagné ca Liverpool ba mu ñëwee fekk fa Sadio Mané. Ils ont gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, le championnat, gagné le ballon d'or africain le Costa Sadio Coupe d'Afrique bi Sadio gagné donc Coupe d'Afrique également tax remettra beaucoup de questions également beaucoup d'interrogations et tout donc tu l'as vu aujourd'hui donc il faut comprendre que les côté gars également en matière de stats, il faut le reconnaître Mohamed Salah, Moti, Raoult Sadio Mané en matière de but également, donc en matière de passe décisif, même bu qu'elle ne saison yi game, Sadio Mané aussi dafa faut beaucoup passe décisif mais aussi pour nous faire donc voilà donc mes euh, formes day et tout mais aujourd'hui donc am aussi stade de xam et gars pour comprendre aussi que ne Sadio en Ligue des Champions quand même il est beaucoup plus décisif dans les matchs à élimination directe pour Liverpool donc Jorgen Klopp Mohamed Salah déjà ce qu'il faut comprendre gars moi je connais, Tu Mohamed Salah n'est aujourd'hui jour boo il est devenu indispensable pour euh, Liverpool euh, par comparé à à Sadio Mané d'abord hein, côté salaire la ñuy wax aussi côté image, comme je dis, côté aussi côté marketing. D'abord, Sadio Mané, en matière de jeu, il n'a rien à envier à Salah. Donc, euh, Salah a un style de jeu, Sadio a un style de jeu. Stadia donc euh, joueur yi nga un ne qui a apporter danger et beaucoup plus décisif ci euh, match à élimination directe gis Sadio Mané premier avec 12 buts Lionel Messi troisième Mohamed Salah le deuxième bokk Mohamed Salah troisième Cristiano Ronaldo quatrième Roberto Firmino cinquième donc d'abord par rapport à Sadio Mané vous yi li connais, Sadio Mané bon euh, selon les informations je ne ah, je dis pas que c'est le salaire réel mais ça dit que évaluer autour de 6 millions d'euros 6 millions d'euros peut évaluer donc par rapport au salaire annuel entre autres hein, ah, le gars le gars di wax ah, donc euh, Sadio Mané également sponsor am New Balance New Balance c'est un sponsor pour les gars aussi c'est c'est un gros sponsor am une jour joueurs il xam a mais comparé à yeneen sponsor ce n'est pas un sponsor pour les déjà euh, d'affaires jaay lu et il faut savoir aujourd'hui également que New Balance mom Liverpool dafa nekkoon seen partenaire Liverpool bàyyi un fi dem ci Knight Sadio Mané aujourd'hui aussi côté image je lu moi mooy wax Sadio Mané un sponsor au niveau international sponsor am c'est des sponsor yoo xamné ne à part New Balance ak peut-être yenn yi sponsor yu bari fi lañu nekk comme ay umu ak umu du ma wax tur mais amna na sponsor gis ngeen image donc donc aujourd'hui euh, booy les sponsor yooyu Sadio Mané am lutax mu gën ko am sax c'est plutôt dans le cadre social parce que par exemple umu informatique daf ko am pour euh, élèves yi nga xamné fofu mom la ñoo nekk foofu ay établissement bi mu apporter aide ak yoy nonu mu mën leena jappalé en matière d'ordinateur et tout amna ko xamné également euh, si walum essence ak yoy lay def dafa ci ñom partenariat pour am ben station buñ def fofu nonu ak yeneen chose donc Sadio Mané partenariat yu am ak ñoy c'est beaucoup plus du social qu'autre chose ay la Casamance également parce que Casamance la nek et tout waxuma amu ci xaliss attention da ci am xaliss mais également lolu gëna mëna gëna mettre en exergue parce que bu dee si yoon yoon ñoñu pour ñu fay ko ñi casqué lu bari et que politique bi nga xamné tay mo am Sénégal par rapport également sponsoring yi moy que par exemple Orange qui est une marque du sponsoriser nos joueur parce que équipe nationale Sénégal ñi fa nek vedette bëri na mais égérie yu jaay bëriwul moo tax dañuy jël image u fédération yi signé partenariat pour mën utiliser image u joueur yooyu yëpp gars yi noonu def alors que sala par rapport ak sala gars yi lu tax tam ben impact bi gis ngeen avion bobu sala la nañ def image hein. am avion buy daw ah bu gars di yéeg ñu def déjà il est sponsorisé entre autres par Adidas par Oppo par HP euh, donc par également yeneen marque donc en matière de de sponsoring là actuellement par exemple avec Adidas selon les informations il touche dans les 3 millions d'euros hein, par an approximativement gis nga Adidas marque et tout am ay Oppo et tout donc et ça là aujourd'hui est l'égérie numéro un Madame Tay moy marque bi ñu gëna jaay dans les pays arabes en matière de maillot également Salah est quatrième par rapport à Mayo yi au niveau du de voilà de du monde entier Mayo yi par exemple à la à la quatrième place donc aujourd'hui Liverpool au-delà même de l'aspect euh, déjà joueur ça là aussi c'est une image parce que image quand compter mais publicité et tout ça là donc il est beaucoup plus c'est une appréciation là business parce que le football business là donc côté image et tout donc là est beaucoup plus vendable côté image que Sadio Mané donc loolu aussi day influer un peu également sur le rendement de l'équipe par rapport à rentrer en partenariat mais parce que l'équipe aussi trouvé trouver ay possibilités de trouver avantage donc aujourd'hui Salah n'a pas encore prolongé aussi son contrat qui se termine en 2023 avec Liverpool donc l'OL noonu yëpp nek ci na ci aujourd'hui Liverpool dafa jël Salah d'être ko priorité par rapport à également Sadio Mané D'accord. Même Boy c'est côté euh, remplaçant et tout, plutôt recul c'est des recrues plus de, sur le poste de Sadio Mané que sur le poste de Mohamed Salah. Mais quand même, ça fait partie du jeu. Donc, c'était un peu aujourd'hui pour vous donner une idée pour nous ramener le temps Mané sport business là. Le temps également aujourd'hui, Sadio Mané, impact qui Liverpool, à Au-delà du, du, caractère sportif, parce que sportivement, il est bien, mais également, il faut bien aspect de football. Quant à vous, gars, vous voulez des likes, vous voulez des abonnés, vous avez un Avis, ya